Nous avons retenu beaucoup de choses. D'abord, les enjeux liés au changement climatique, la définition conceptuelle du changement climatique, la planification et surtout la finance climat. Donc, ce sont ces trois aspects sur lesquels nous avons travaillé, qu'on nous a capacité et je pense que nous sortons de cette formation véritablement renforcée sur les questions de changement climatique. Quelle importance cette formation a Cette formation a une très grande importance, d'autant plus que nous vivons ces changements climatiques. Particulièrement, la commune de Cafontine est affectée par le phénomène de l'érosion euh, côtière, mais aussi de l'ensablement, mais et du déboisement au niveau de la, de la commune. D'autant plus que nous sommes dans une zone de pêche, de tourisme, donc qui dit pêche dit des besoins en, en, ressources ligneuses telles que du bois, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à ces véritables problèmes qui ont un impact sur les changements climatiques. Merci. Donc, euh, comme nous sommes en tant qu'élus, d'abord il faut, pour pouvoir transmettre ou bien mettre en œuvre une politique, il faudra au moins d'avoir les capacités. Donc aujourd'hui, ce renforcement de capacités va nous permettre en tant qu'élus d'orienter notre décision, notre politique envers, pour tenir mieux en compte la question du changement climatique, mais aussi de sensibiliser la population pour que nous ayons les mêmes compréhensions de, notre problème, euh, de, ces problèmes de changement climatique afin que notre politique soit beaucoup plus efficiente, beaucoup plus impactante sur la population. Absolument, donc c'est la raison euh, de cette formation. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons même aller au-delà même de, la politique, euh, de, mettre en œuvre, mais au moins d'orienter nos politiques envers ce qu'on appelle, euh, en intégrant plutôt les, les questions de changement climatique. D'autant plus que nous allons, dans le cadre d'une révision de notre plan communal de développement, y intégrer les aspects de changement climatique. Donc ça, c'est véritablement un document de planification qui va nous permettre maintenant désormais d'être en phase avec les questions de changement climat, climatique en y intégrant ces questions-là. Euh, je m'appelle Djibril Diassi, euh, conseiller municipal en charge de la prévention, règlement et gestion des conflits, la municipalité de euh, Je vous remercie en fait... Euh, cette formation est une grande première dans la commune de Cafontine, euh, euh, dans laquelle je suis réélu pour une deuxième fois, après un magistère de 7 ans et demi. Et je suis été reconduit et c'est un plaisir pour moi d'abord, qu'il faut le reconnaître, d'avoir suivi une formation. Surtout celle-ci qui s'inscrit dans le cadre des problématiques liées au changement climatique. Euh, je peux avouer vraiment que euh, cette formation, euh, elle est d'une importance capitale, surtout dans le choix, choix des, activités du conseil municipal, surtout dans le cadre du développement. pour moi, ça fait un très grand plaisir et une innovation, en fait, au sein de la collectivité locale. Euh, la solution, selon moi, euh, tantôt j'ai intervenu pour dire que euh, quand on parle de développement durable, donc on pense que ce qu'il faut aller dans, dans la résiliation seulement, mais je pense que cette résiliation doit commencer, si on veut penser à un développement durable, commencer par l'éducation, la sensibilisation des masses, des populations à travers, euh, je pense, des, séances de mobilisation sociale, sociale pour permettre de cultiver, d'apporter l'information aux, aux citoyens de la commune. Et ensuite, penser à des actions concrètes n'est-ce pas, euh, touchant euh, le réchauffement climatique, de la formation des élus, des personnes, des OCB, des, sources constituant vraiment euh, le socle euh, humain euh, de la commune. formation bi amna solo trop ci pour les élus locaux ndax changement climatique De mel ni loo à actuellement mo lembé à Té rawatina commune de Kafountine commune de Kafountine beaucoup de de rek nga pêche la def moy activité principale tourisme et surtout ki walum allam allam bi dafa yàqu té luko ko la plupart du temps mom moy dag garab donc actuellement commune de Kafountine mu ngi dund bu baax changement climat climatique. donc euh, d'abord pour ñu mën xex mbir mi il faut nga am ay ay ay capacité moy moy nga am ay xam-xam ci lool donc formation bi permettre nañ. Nous avons une notion claire sur le changement climatique donc à partir d'aujourd'hui nous avons intégré les documents de planification question questions relatives au changement climatique donc à partir de là nous avons au moins am ay document de planification pour nous changement climatique